Merci de nous choisir midi sur la radio Futur Média. C'est l'heure du grand journal. Voici le sommaire, la furie des élèves de Seyou. Ils ont blessé ce matin le principal du CM3 de la commune. La victime raconte le film des événements dans ce grand journal. Cité Gadaï, plusieurs nouvelles constructions ont été détruites ce matin par des quatre pillards. Les propriétaires sont dans tous leurs états. Abdoulaye Wade et l'argent de Monaco, traqué par l'État du Sénégal. L'ancien président de la République le réclame aux banques monégasques. Réaction du Forum civil. C'est un défi que Maître Ouad a lancé à l'État et aux juges de la CREI Maître Babadiop lui soutient que le secrétaire général du PDS doit prouver que cet argent lui appartient. Vous entendrez le mini-dossier de Binta Diallo. Achèvement des travaux du sanctuaire Saint-Paul de Grayoff, l'appel du cardinal Théodore Adrien Sarr, et bien entendu par les fidèles catholiques qui se disent prêts à apporter leur contribution importante plus sur Dakar et autres villes du Sénégal. La météo parle d'impact négatif sur les cultures, mais pour l'instant, pas trop de crainte pour le bétail. L'actualité internationale, Diana et douba bonjour. Bonjour Antoine. Vous nous livrez déjà les titres. L'opposition mauritanienne marche cet après-midi pour le boycott du second tour des élections législatives et municipales prévues pour samedi prochain. Mohamed Diop euh, nous en dira un peu plus. Centrafrique, Laurent Fabien bus annonce des renforts euh, européens et annonce également l'envoi de 150 soldats belges pour une euh, mission de protection. La politique de sécurité en Centrafrique sera également au menu du Conseil européen. Antoine qui s'ouvre demain. Développement de tout cela dans quelques instants. Les sports, ce sera avec euh, Cher Gagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Vous nous donnez déjà un avant goût La présidence du Casasport, objet de convoitise, plusieurs candidatures sont déclarées. La passion prend de l'ampleur nous dit-on, elle fait partie euh, des candidats au titre de champion de la Ligue 1 sénégalaise de football. Pour sa première sortie, elle est passée à côté de la plaque. Tout de même, la Lingère de Saint-Luc compte se ressaisir dès la prochaine journée et les autres actualités sportives vont concerner le football, mais cette fois-ci à l'étranger Antoine. Cher Tidiane Diagne, merci. Point de vue sur la déclaration de Maître Abdoulaye Wade, l'ancien chef de l'État, dit que son fils Karim Ouad n'a rien fait. Vous pourrez réagir aux alentours de 12h25 minutes. À suivre le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux dans la cité religieuse. Sornana Tambay vous présentera donc le journal du euh, Magal. Bienvenue à toutes et à tous violence en milieu scolaire à Seyou, le principal du CM3 de la commune a été blessé par les élèves de son établissement qui ont lancé des pierres pour déloger tous leurs camarades. En outre, les élèves en mouvement ont provoqué l'arrêt des cours dans tous les établissements moyens secondaires de La Minba. La violence dans le secteur de l'éducation à Seyou, Ce matin, c'est le principal du CM3 qui a fait les frais de la furie des élèves de son établissement. Des jets de pierre l'ont gravement blessé au visage. L'homme admis à l'infirmerie où nous l'avons trouvé confirme qu'il a été assailli par les potaches avec des jets de pierre. Son nom, Sadio Makoulibali. moi je suis blessé au visage là, j'ai reçu deux pierres au visage là, au front et juste au-dessus de la, lèvre là. Bon, m'a fait un, un, pansement avec une injection antitétanique. Physiquement très touché avec des saignements sous l'œil et sur la joue, il revient sur le film de l'événement. Nous avons débuté les cours euh, de façon régulière à 8 h mais dès qu'ils sont, qu'ils sont, entrés en classe, bon, quelques minutes après, ils ont, les, les gosses qui sont cachés derrière le mur, derrière l'établissement, qui ont jeté des pierres sur les abris provisoires. Alors les autres qui, bon, qui étaient déjà sur les qui-vivent, sont sortis en, train, sont mis à crier. j'essaie devant l'administration. Je voulais les entendre pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Aussitôt, c'est la pluie, les la pluie de, des pierres euh, sur l'administration. Sadio Koulibaly regrette tout de même l'absence de l'intervention des forces de sécurité. La, la sécurité me manque parce que nous avons appelé la gendarmerie depuis vers... Euh, dès que le mouvement a commencé, nous avons appelé à la gendarmerie. Ils ont dit qu'ils allaient venir. Mais depuis lors, ils ne se sont pas présentés. Ce matin, aucun établissement du moins et du secondaire de la commune de Sidiou n'a fait cours. Tous ont été délogés par les potaches. Le collectif des chefs d'établissement de Sidiou, il faut le rappeler, avait alerté les autorités sur la nécessité de veiller sur leur sécurité. Lamine Ba, Sidiou, Radio Futur Média. Lamine Ba, merci à Bakel. Un grand rassemblement est organisé depuis ce matin au théâtre de verdure de la commune en fait, les élèves qui réclament des professeurs depuis le début de l'année scolaire sont soutenus par les populations et dans toute la commune, il n'y a pas cours du préscolaire au secondaire. Et puis ici à Dakar, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vont organiser dans quelques instants un rassemblement devant l'hôpital principal où un de leurs camarades blessés hier à l'œil euh, blessé pardon à l'œil hier euh, est admis au soins. C'était lors des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Selon les étudiants, la situation de leurs camarades est devenue grave. 12h05 minutes, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les habitants de la cité Gadaï ont eu la surprise de leur vie. Ce matin, des quatre pillards sont entrés en action pour détruire les nouvelles constructions qui étaient donc en train d'être là-bas. Les populations disent n'avoir reçu aucune sommation. C'est ce que Mbaïtine, habitant de la cité Gadaï, a dit à Mohamed Talimouba. Ce qui se passe à Gadaï, c'est déplorable. Vraiment, on n'attendait pas ça à l'aide de, l'État. Vraiment, euh, des pères de famille qui ont investi leur argent pour construire des maisons et y habiter. Les gens sont en train de détruire sans sommation, sans rien du tout. Ils n'ont pas averti ces pères de famille. Donc les pères de famille sont là, ils sont, ils sont, ils sont vraiment écœurés. Quand on, quand on était en train d'approcher les, les, les, services d'ordre, nous dit de reculer et de sortir du, site là. Parce que vraiment, ils ne peuvent pas nous donner grand chose. Ils n'ont pas montré de papier ou autre chose pour nous dire que vraiment le site là est. Je, ne trouve même pas les, mots. Il s'agit de 253 parcelles qui sont concernées. Et ces pères de famille là se sont regroupés en association des, des acquéreurs de ces parcelles. Ils ont fait toute leur documentation pour vraiment euh, les mettre à la disposition de l'autorité, c'est-à-dire ils ont déposé leur, dossier au niveau des, des, des impôts et domaines pour avoir une régularisation. Mais jusqu'à présent, on leur fait valser de gauche à droite. D'après nos informations, ces populations de Gada et Extension sont en conflit avec le promoteur de Technologie 2000 qui serait propriétaire du site où ces nouvelles constructions ont été érigées. Abdoulaye Wad réclame aux banques monégasques l'argent que l'État du Sénégal est en train de traquer L'ancien président de la République a déclaré sur Radio France Internationale que cet argent pour lequel son fils Karim Wad est poursuivi lui appartient. Mais cette déclaration de Maître Wad sonne aux yeux de Mohamed Mbouid du Forum civil comme un défi lancé à l'État du Sénégal, mais également aux juges de la CRI. Et pour Maître Babadiop, Maître Abdoulaye Wad doit prouver que cet, argent, lui appartient. suivant le mini-dossier de Binta si Ouad a reçu un cadeau de cette taille, c'est parce qu'il était le président de la République du Sénégal. L'enveloppe, quel que soit son montant, a dit le Forum civil, devait se retrouver dans les caisses du Trésor public et non dans un compte bancaire. Le coordonnateur de la section sénégalaise de Transparence internationale et formelle, Abdoulaye Ouad, par sa déclaration, défie la CRI et l'État. Mohamed Mbouch leur demande de prendre toutes leurs responsabilités. Quand un État qui représente toute une nation et défier dans ses principes constitutifs, cet État doit prendre ses responsabilités. sans le commentaire Boubari, on a les moyens juridiques de, relever ce défi. On a les moyens politiques de relever ce défi. Ceux qui ont en charge de cette responsabilité doivent l'assumer, notamment le président de la République et, les juges de la crise. Ils doivent le faire. C'est même exemplaire pour tous les Sénégalais, tous les autres Sénégalais qui seraient tentés par une, telle, un tel comportement. Libre à Abdoulaye Wade de dire « je suis propriétaire de cet argent et je vais aller le chercher du point de vue du juriste ». Mais pour mettre Baba Diop, il va falloir qu'il apporte des preuves qui sont de deux ordres. Normalement, l'argent qui se trouve dans un compte bancaire est présumé appartenir au titulaire de ce compte. Maintenant, sauf si, par rapport à son origine, qu'il puisse prouver par une convention ou par toute autre preuve serait serait propriétaire de cet argent-là. Donc il y a deux problèmes qu'il faudra peut-être que le juge qui est éventuellement saisi, parce qu'il dit qu'il a saisi euh, le tribunal en France, il faudrait qu'il lui prouve qu'il est soit titulaire de ce compte-là, bien qu'il serait propriétaire de l'argent à l'issue d'une convention ou bien d'un acte qui serait signé entre lui-même et le titulaire éventuel le Forum civil, tout comme le juriste, sont convaincus que pour le moment, aucune action en justice ne peut être intentée contre Abdoulaye Wade parce que Maître Wade l'a dit, il a porté plainte contre Monaco. Attendons, ont-ils fait savoir, la suite de l'enquête. Binta Diallo Alintun regrette le fait que le code de la presse ne soit pas encore voté par l'Assemblée nationale. Le président du Comité sénégalais des droits de l'homme estime que le Sénégal ne doit pas régresser en matière de démocratie. Selon lui, la structure qu'il dirige va faire un plaidoyer pour le vote de ce code. Oui, à la dépénalisation du délit de presse, ajoute Alintine, propos recueillis par Jean Maron il faut défendre les droits fondamentaux des journalistes, défendre la liberté d'expression des journalistes et leur faciliter le travail et assurer également leur protection, surtout quand ils travaillent dans des zones en conflit où ils sont ciblés en priorité. Il me semble que ces questions-là, nous devons les travailler davantage auprès d'ailleurs des mécanismes comme les nôtres le Comité sénégalais des droits de l'homme, mais auprès également de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et auprès des Nations Unies. Écoutez, moi je n'hésite même pas pour dire qu'il faut dépénaliser. Nous sommes quand même une, une des démocraties majeures de la sous-région et du sous-continent. Il me semble qu'il faut approfondir le dialogue, la concertation avec les pouvoirs publics, avec le Parlement, pour qu'on aboutisse effectivement à la conclusion vraiment d'un code de la presse qui soit un code très fort parce que nous avons quand même euh, des journalistes, parmi les journalistes, les, meilleurs hein, de la sous-région, parce que moi je circule. Je pense qu'il faut faire en sorte que cette loi soit signée, discuter en profondeur avec le Parlement. Je pense que de ce point de vue, vous gagnerez à avoir un peu plus de diplomatie. Et nous, nous sommes prêts à participer à ce travail de plaidoyer. Alintine participait ce matin à un atelier de formation des membres du Simpix sur les droits de l'homme. C'était donc au Centre d'information des Nations Unies. Il est 12h11, vous suivez le grand journal. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. L'appel lancé par le cardinal Théodore Adrien Sarr aux fidèles catholiques pour qu'ils contribuent aux travaux d'achèvement du sanctuaire Saint-Paul de Grayoff n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans le reportage que vous allez entendre, des fidèles catholiques rencontrés à la paroisse Saint-Joseph de Médina se disent prêts à s'investir pour la cause de l'Église catholique. C'est Nourouba. À la paroisse Saint-Joseph, l'appel du cardinal Théodore Adrien Sarr a reçu un écho bien favorable. C'est vrai, j'en ai entendu parler et euh, c'est une bonne initiative. Il faut s'entraider entre chrétiens s'entraider. Le sanctuaire qu'on va construire là-bas, ça ne sera pas uniquement pour ceux de Grand Yoff, mais ça va servir pour toute l'église euh, sénégalaise. Venus se confesser, ces fidèles catholiques ne se sont pas posés trop de questions. L'appel du cardinal doit être entendu et il doit être suivi de réactions. Donnant une participation symbolique, de mettre la main à la poche. Oui, oui, moi je suis prête à construire mon, ma propre église. De toute façon, je vais donner. Ça, mon, suis sûr. Je suis prêt à mettre la main à la poche, donner de l'argent vont mettre la main à la poche car son eux, le sanctuaire diocésain Saint-Paul à Gragnoff en plein travaux leur appartient. On ne peut pas laisser faire les autres. Ah, ça c'est normal, c'est à nous de construire notre église parce que c'est notre propre, église, c'est à nous de participer, sur notre église. 644 euh, millions de francs CFA, c'est la somme qu'il faudra pour l'achèvement des travaux du sanctuaire diocésain Saint-Paul à Gragnoff, 300 millions ont déjà été mobilisés. de Nourouba, il a plu à Dakar et dans une bonne partie du pays des pluies hors saison qui peuvent avoir des conséquences négatives des, conséquences donc euh, sur les cultures fourragères et les récoltes. Pas de souci cependant pour le cheptel euh, pour l'instant, mais Mamina Kamara de la météo nationale rassure, la situation devrait revenir à la normale à partir de cet après-midi. Mamina Kamara est joint par Mohamed Ali importantes donc, sont abattues euh, depuis hier nuit hein, donc, euh, sur la partie ouest et nord du pays. Hier déjà au cours de la nuit, on a commencé à avoir quelques gouttes euh, sous Dakar et donc ces pluies sont prolongées jusqu'au petit matin et jusque dans la matinée. Donc là, Dakar a, reçu donc jusqu'hier donc 8 mm donc plus 3 mm donc, au cours de la matinée. Louga a reçu donc une forte pluie à 10 mm Saint-Louis 4 mm, roue 2 mm. Donc ce sont des pluies donc hors saison qui souvent donc se manifestent au cours du mois de, novembre, décembre, janvier, février et en mi-mars sur euh, au Sénégal. Ces pluies donc sont dues à une convergence d'air humide euh, sur le pays provenant du Golfe de Guinée et de l'Atlantique tropical. Les impacts qu'on peut retenir, c'est des impacts donc négatifs sur euh, les, cultures fourragères, mais aussi les récoltes exposées à l'extérieur en, en plein air. Nous avons reçu beaucoup de coups de fil. Euh, les éleveurs sont très inquiets. Il se rappelle de l'épisode de 2002 avec les plus hautes saisons qui ont disséminé, le bétail. Mais là, la météo est en train de suivre les températures et donc euh, les, valeurs critiques euh, ne sont pas encore relevées. Et donc c'est pourquoi donc le bétail peut être sauvé. Mais nous sommes en train de suivre la situation. Donc ce que je peux dire pour les prévisions, ce paquet, ce, le, paquet nuageux qui a donné euh, de, la pluie sur l'axe nord, mais aussi sur la façade occidentale, et présentement en mer, laissant donc un ciel de traîne euh, sur euh, donc la façade occidentale. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Jaina Bassey Douba. D'abord, la Mauritanie où l'opposition manifeste cet après-midi pour le boycott des élections législatives de samedi prochain. Et c'est Ahmed Ouldada Antoine qui est le leader de cette opposition mauritanienne. La coordination qu'il dirige compte marcher cet après-midi à Nouakchott pour dénoncer ce que l'opposition mauritanienne appelle une mascarade électorale. Elle exige de nouvelles élections inclusives, libres, démocratiques et transparentes. Euh, les euh, leaders de l'opposition Antoine ont également mis en place une commission chargée d'élaborer une vision de l'action commune après la marche. Mais sur le terrain, à quelques heures euh, de cette marche, beaucoup de Mauritaniens doutent de l'efficacité de ce boycott. Nouakchott Mohamed Diop. Mohamed Diop, ce sera dans quelques instants. Djenaba Seydouba. Oui. On continue avec la Centrafrique. Euh, Laurent Fabius annonce des renforts européens. Le chef de la diplomatie française a annoncé devant l'Assemblée nationale que plusieurs partenaires euh, européens apporteraient leur soutien militaire à la France en centre Afrique. La Belgique envisage d'envoyer 150 soldats pour une mission protection de l'aéroport de Bangui à Wambaye. À Wambaye également, Antoine, que nous retrouverons dans quelques instants. Dans quelques instants, au Soudan du Sud, l'ancien vice-président nie toute implication dans les combats à Juba. Dans un entretien au quotidien Soudan Tribune, Riek Marchar euh, se défend et nie le coup d'État dont l'accusent les autorités. Au même moment, la situation est préoccupante. Euh, en deux jours, entre 400 et 500 personnes auraient été tuées L'ancien vice-président Riyad Machar nie l'existence d'une tentative de coup d'État dont l'avaient accusé les autorités. Riyad Machar déclare que ce qui s'est passé à Djouba est un malentendu entre membres de la garde présidentielle au sein de leur unité. Selon l'ancien vice-président, ce n'était pas une tentative de coup d'État. Riyad Machar déclare que Salva Kiir voulait utiliser la prétendue tentative de coup d'État pour se débarrasser d'eux, contrôler le gouvernement et le mouvement populaire de libération du Soudan. En deux jours, entre 400 et 500 personnes auraient été tuées dans des combats entre factions rivales de l'armée à Djouba, où près de 15 000 habitants ont trouvé refuge dans des bases de l'ONU. D'après le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, 800 autres personnes ont été blessées dans ces affrontements. Merci Soda En Somalie, 6 médecins ont été tués par balle sur une route aux environs de Mogadiscio. Ils sont trois Syriens et trois Somaliens. Ils ont été attaqués alors qu'ils se rendaient à l'hôpital d'Afgoy, localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio. Leurs corps criblés euh, de balles ont été transportés dans un établissement de la capitale somalienne et pour le moment, l'attaque n'a pas été, n'a pas encore été revendiquée. Antoine Diouf. Merci. Diana Bassé Douba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité. Qu'en pensez-vous Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la déclaration de Maître Abdoulaye Wad, l'ancien chef de l'État, dit que son fils Karim Wad n'a rien fait. On en parle dans quelques minutes. RFM, Rebonjour, cher Tigan Gagne. Vous nous présentez la page des sports, du football d'abord, la présidence du Casasport de Giganchor, objet de convoitises multiples. Plusieurs euh, candidatures sont déclarées, la passion prend de l'ampleur, de bonne volonté se mobilise pour l'instant donc pour rapprocher les différentes parties. Ziguinchor, la correspondance d'Abdoulaye Sambou. Le Casasport traverse une crise au sommet avec l'Assemblée générale du club qui s'est terminée en queue de poisson la semaine dernière. Suffisant pour que tous appellent à l'ouverture de pourparlers pour permettre au club d'éviter le syndrome de la Gendarmerie de Dakar. Des anciens joueurs, en passant par des expatriés et des personnalités du monde du football, se mobilisent pour amener les uns et les autres à plus de retenue et de dépassement. Le Casasport n'a pas besoin de crise car elle en a suffisamment avec la distance qui le sépare des autres villes du pays et les moyens qui ne sont jamais à portée de main. Des dirigeants précisent des expatriés que nous avons rencontrés. Tous doivent s'asseoir autour d'une table pour discuter et trouver la meilleure formule pour gérer le club. A Ziguinchor, cette confusion est le sujet de conversation dans les grandes places et autres bureaux. Nous avons peur que cette situation n'affecte la vie des joueurs, lance un supporter qui appelle tous à la raison pour permettre au club de grandir au grand bonheur des supporters de la Verte Casamance. En tout cas, le club euh, du Casa Sport de Ziguinchor n'en pâtit pas, d'autant plus qu'elle a eu donc, euh, cette équipe du Casa Sport a gagné lors de la première journée du championnat qui s'est joué donc euh, à Kolda. le Casasport y a reçu donc la Sunéor de Durbel, équipe qu'elle a battue sur la marque d'un but à zéro. Elle fait partie des candidats au titre de champion de la Ligue 1 sénégalaise de football. Pour sa première sortie, elle est passée à côté de la plaque. Tout de même, la ligue de compte se ressaisir dès la prochaine journée. Dans nos toutes prochaines éditions, vous entendrez donc Mohamed Nabi Silla, Antoine. Coupe du monde des clubs, le Raja de Casablanca, seul candidat africain en course. Le Raja de Casablanca qui pourrait être le prochain adversaire du Bayern de Munich en finale la Coupe du monde des clubs qui se joue au Maroc. Cependant, les Rajaouis doivent dominer ce soir en demi-finale Atlético Mineiro du Brésil, le club de Ronaldinho. Hier, dans la première demi-finale, le Bayern de Munich a battu 3 à 0 Gansu Ever c'est un club euh, de Chine, Antoine. Football en Europe, cher Tigane. France pour démarrer Coupe de la Ligue, huitième de finale. Ce soir, Lyon accueille Reims, Nice, Sochaux, Olympique de Marseille-Toulouse. Le choc va opposer le Paris Saint-Germain au Football Club de, à Saint-Etienne, plutôt. Rennes, Bordeaux et Antonin Gaillard. Bastia, 3 fera face à l'équipe de Tours en Espagne. On joue les 16e de finale euh, de la Coupe. Donc, Real de Madrid euh, fait face à l'équipe d'Olympique Rativa. Lors de la manche allée, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge. Altitude de Madrid qui avait la largement dominé San Andreu lors de la match les 4 à 0 joue aussi ce soir contre cette même équipe en Angleterre. C'est la Coupe de la Ligue. On est à l'étape des quarts de finale. Tottenham accueille l'équipe de West Ham United. Stock City fera face à Manchester United. Hier, Manchester City et Sunderland ont gagné leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. C'est bien fini cette page d'espoir, Merci, cher Tidiane Diagne. RFL, partout, partout, tout le temps. Tout le temps. Le reportage du jour réalisé à Rufusque où les malades déplorent qu'un hôpital comme Bargan ait un seul guichet de vente de tickets, une situation difficile pour les patients qui restent plus d'une heure devant la caisse. Mais les autorités de l'hôpital évoquent un problème technique et promettent de rendre fonctionnel le deuxième guichet. C'est un reportage signé Abdourahman Diallo. Une longue file d'attente devant le guichet de l'hôpital Youssou Malades et accompagnants, tous veulent acheter un ticket. Malheureusement, il n'y a qu'un seul guichet qui fonctionne. Salimata a amené son enfant de 12 ans qui souffre de maux de tête. C'est pas normal. C'est pas normal. Un hôpital comme Youssou on ne trouve qu'une seule caisse de vente. C'est pas normal. Car il y a des malades qui ne peuvent pas patienter à cause de leur état de santé. Moi, je suis là depuis plus de deux heures. J'arrive même pas à acheter un ticket. Depuis plus d'un mois, l'hôpital fonctionne à guichet unique, les responsables de cette structure sanitaire parlent d'un problème technique. Docteur Fatou Mbaïsila, directrice de l'hôpital Youssou Bargan. On avait un premier logiciel qui fonctionnait, qui s'occupait de la vente, etc. Dernièrement, on a eu des problèmes avec ce logiciel. On a acquis un autre logiciel. On est en train de le tester et de procéder à l'installation. La deuxième chose, on est en train de renouveler les deux machines. Donc l'une des machines est déjà installée, la deuxième machine n'est pas encore installée. C'est la cause de ce dysfonctionnement. Les malades patientent des heures pour avoir un ticket de soins une situation qu'ils juge extrêmement difficile. Mais les autorités sanitaires promettent de rendre fonctionnel l'autre guichet dans un bref délai. Abdourahman Diallo, Rufisque, Radio Futur Média. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Même s'il n'enfile pas officiellement la toche pour le prétoire, Maître Wade continue de se démener comme un boya pour tenter de sauver son fils fond, depuis l'incarcération de ce dernier, Maître Wad reprend subitement du poil de la bête au bord de la lagune et prier cet Abidjan. L'observateur rapporte dans sa livraison du jour les vérités de Wad dans le dossier Karim. Selon le quotidien du groupe Futur Média, le seul délit commis par Karim Wad, c'est d'être fils d'un ancien président de la République. Le fait d'être président sortant est devenu au nouveau délit au Sénégal, sans t il des sources citées par le même journal renseignent encore que le pape d'Isopie trouve aberrant qu'on continue de maintenir son fils en prison sans la moindre preuve sur sa culpabilité. Après huit mois de traque d'emprisonnement aujourd'hui, rien n'est encore montré pour dire que Karim a fait ceci ou cela, estime l'ancien chef d'État. Le seul argent qu'on a trouvé dans une banque, c'est de l'argent qui m'appartient. C'est mon argent. Maître Wad, qui fait allusion au fameux compte de Monaco, révèle qu'il va récupérer le magot qui lui appartient. Le journal LAS ajoute que Wad va revenir au Sénégal et c'est pour bientôt. Ah, pour le populaire, Maître Wad ouvre les hostilités contre Maki. Il déverse sa bile sur le régime de Macky Sall avant de faire retenir Mon fils se porte bien, il sera un jour innocenté. Du côté des autorités ivoiriennes, on est plutôt embarrassé par cette note encombrante. Une source proche de la présidence ivoirienne confie à nos confrères de l'enquête il aurait été plus court toi de tenir ses propos ailleurs, comme à Dubaï par exemple, où Wad promet d'établir son QG, un quartier général, un cabinet de consultance. Le journal L'AS ajoute qu'Abdoulaye Wad promet de faire construire aussi une chaîne hôtelière dans 20 pays d'Afrique. À Dakar, évidemment, on fustige l'inconscience de l'ancien président, avocat juge de son fils. Dans le populaire, Seydou Gueye fait remarquer que Wad reconduit les méthodes qu'on lui connaît. Le quotidien à travers l'œil de Minerve ne dit pas autre chose. L'ancien président sénégalais a cru bon hier de proposer de manière allusive à son successeur d'agir comme lui le faisait quand il exerçait le pouvoir que c'est lui la justice. Aujourd'hui, Abdelaïwa doit se résigner, conseille mon confrère, et accepter qu'une certaine façon de voir les choses et de penser la gouvernance dans nos pays est révolue. La justice dira le droit le moment venu sur le dossier de son fils et l'ancien président doit se le tenir pour dit. Toujours est-il que la machine judiciaire continue sa marche concernant justement le dossier Karim. selon l'observateur, la nouvelle chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a une nouvelle fois renvoyé l'examen de la requête d'annulation de poursuite introduite par les avocats de Wadfis Fils au 9 janvier prochain. Karim Wad, pas sorti donc de l'ornière, Aïda Diong et Aziz Diop n'ont plus fait constater le journal L'Enquête. Mon confrère révèle qu'après quatre nuits passées à la section recherche de la gendarmerie de la gendarmerie de Koloban, une cinquième au commissariat du port à la faveur d'un retour de parquet, Aïda et Aziz ont été placés sous mandat de dépôt pour détournement de deniers publics. Le populaire ajoute que cinq anciens collaborateurs d'Oumar Sarr font partie de ceux qu'on a écroués. Alors, autant dire avec le quotidien, le quotidien hiver chaud pour les libéraux. Avec en illustration la photo d'Aiden Young, les jeux cachés derrière ses éternelles lunettes de soleil. Bonne lecture à tous. Point de, vue. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les déclarations de Maître Abdoulaye Wad, l'ancien chef de l'État, dit que son fils Karim Wad n'a rien fait. Maître Wad réclame également l'argent traqué par l'État du Sénégal et placé dans les banques monégasques. Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez la parole parole aux L'actualité, qu'en pensez-vous pour en parler, nous avons l'ancien député Amadou Diara du Parti démocratique sénégalais. Bonjour Amadou Diara. bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux déclarations de Maître Abdoulaye Wade qui dit que Karim Wade n'a rien fait et par rapport aussi à l'argent placé dans des comptes à Monaco qui réclame à l'État, ou disons, qui réclame donc euh, tout simplement aux banques monégasques oui, en fait, Wade n'a pas dit ce que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, n'a encore dit. Mmh. est innocent, il est objet donc d'acharnement politique. C'est un prisonnier politique. Euh, d'abord, nous, nous avons crié Orbi et Urbi l'illégalité donc de la CRI, donc que, nous considérons que ce n'est pas une justice, ce n'est pas la justice sénégalaise. Deuxièmement, l'acharnement de Karim ce n'est pas seulement Karim Wade qui a fait l'objet de traque par la CRI. Mhm. Il y a Mehdi il y a Samuel Sa, il y a Ablaï Baldi, Ousmane Gom. Certains sont des députés. Leur immunité parlementaire euh, a été levée depuis plus d'un an. Et ils sont libres et interdits de sortir du territoire. Et pourquoi pas Karim Depuis six mois, ils n'ont pas eu de preuves. Ils ont été obligés de s'écrire à Karim Wade une autre mise en demeure pour le garder pourquoi pas demander à Karim de sortir et de me surveiller et de me laisser libre, libre, vaquer à ses occupations Nous mhm. considérons que Karim c'est l'objet véritablement de traite politique. C'est pas de traite. Je rappelle aux Sénégalais qui nous écoutent que personne, le régime actuel n'a pas encore audité Karim. ni dans sa gestion de Russie, avec Abdoulaye Baldé comme directeur exécutif, ni dans la gestion des ministères qu'il a eu à occuper. C'est tout simplement une contre la personne de mais ce n'est pas véritablement euh, de détournement de données publics, de l'argent qui aurait appartenu au budget du Sénégal. Hmm. Tous les Sénégalais savent que c'est des accusations fallacieuses. Oui. a adressé des correspondances à la CRI montrant que ce qu'ils ont dit sur Dubaï, ce n'est pas vrai. Hmm. ASS a fait la même chose, la banque euh, euh de commerce a fait la même chose, l'aéroport de Walabou a fait la même chose. aujourd'hui c'est exactement la même chose que ces gens-là. Oui, mais est-ce que, est que Maître Wad pouvait dire euh, autre chose que ce qu'il a dit à propos de Karim, euh, à savoir que son fils n'a rien fait je, je, dis que des Sénégalais qui ne sont pas pères, qui ne sont pas papa de Karim Wad l'ont dit hum. partout au Sénégal. Et Abdoulaye je dis pourquoi il le dit C'est parce que la CRI a cité un patrimoine appartenant à Abdoulaye Wade. Hum. Il y a de la traçabilité. Les Sénégalais le savent qui a donné à Abdoulaye Wade cet argent laissé. Et j'en profite pour dire que ce que moi-même que de Forum Civil a dit tout à l'heure dans, dans, le journal, c'est pas vrai. C'est son point de vue. On, on, on va quand même le respecter. Hein? Parce qu'il dit, quand Wade reçoit de l'argent, c'est parce qu'il est président. Je lui rappelle que, après que Wade n'est plus président, il a reçu 2,5 milliards de donateurs je, me visais l'affaire du chef de Aïdara Donc, Wadi, avant d'être président, étant président et n'étant plus président, peut recevoir bien et bien de l'argent. Oui. Vous, vous, parlez vous, parlez de politisation dans l'affaire Karim Wad, mais comment alors comprendre qu'une juridiction comme la CREI, qui n'est pas, qui, n'a pas de preuves, comme vous dites, veuille garder Karim Wad en prison mais, mais, mais, c'est la grande question que les gens se posent. Je rappelle la première conférence de presse du procureur de la crise, le, monsieur Ndaoula. Il n'avait pas cité Karim seulement. Vous vous rappelez avec moi mm. Ok Oui. Ils sont tous, ils étaient quatre ou cinq. Mais aujourd'hui, seul Karim est emprisonné parmi les responsables du Karim. E Et les autres sont là. Est-ce qu'ils ont oublié le dossier ou est-ce qu'ils sont en train de chercher en laissant ces gens à la ligne Et pourquoi Karim Parce que Karim fait exactement un bon commerce politique c'est un bon bouc émissaire. Et c'est pourquoi le président Abdoulaye a raison de dire hmm. que son délit, c'est d'être le fils de l'ex-président. Parce que ça fait partie. mais, mais, mais, qui a eu à gérer. Oui. Son incompétence, oui, d'être le fils du chef de l'État, mais qui a eu à gérer également d'importants deniers publics. Ça aussi, il ne faudrait pas l'oublier, non? Voilà, justement, je vous dire, et aux Sénégalais qui nous écoutent, Mhm. C'est la Russie, c'est et le ministère qui avait, infrastructure, énergie, coopération. Mhm. OK Mais ces ministères-là et Russie n'ont pas encore éduqué Et son arrestation ne fait pas l'objet de de, des conclusions de ces jury. Alors donc, les a ont compris qu'on milite Russie. Parce que nous M23, pensons d'alors disait que Karim a détenu de l'argent à Russie, qu'on milite Russie et qu'on l'enferme Karim. Ou bien on milite ces ministères et on l'enferme Karim. Mais on n'a pas tout ce qui disait sur sa mauvaise gestion, sa gabegie par rapport à la gestion de, de, de, de Sénégal, mm. qui du toujours du Sénégal, des postes qu'il aurait géré, on n'en parle plus. Merci. Amadou Diara, ancien député. Vous êtes membre du Parti démocratique euh, sénégalais. Point de vue, on parle aujourd'hui des déclarations de Maître Abdoulaye Wad. L'ancien chef de l'État dit que son fils Karim Wad, qui est en prison, n'a rien fait. Maître Wad réclame également l'argent traqué par euh, l'État du Sénégal et placé dans les banques euh, monégasques. Vous avez la parole. Nous avons en ligne Maître Bassirungom. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes membre du collectif euh, des avocats de la paire. Alors, euh, quel commentaire vous suggère ces déclarations de Maître Abdoulaye Wad Ces déclarations sur, sur son fils. Oui, et, sur l'argent placé dans des banques à Monaco. vous savez, vous savez, Antoine, la, réaction que j'ai par rapport à ça, je pense que c'est la réaction de tous les Sénégalais. Mhm. Autrement dit. Ils sont quand même un peu gênés mhm. de voir l'ancien chef d'État sénégalais se, comporter de la sorte. On aurait souhaité quand même que lorsque Ouad a quitté le pouvoir, qu'il entre quand même dans le panthéon des grands chefs d'État sénégalais, des anciens chefs d'État sénégalais qui sont respectés à travers le monde aujourd'hui euh, de par leur posture. Si aujourd'hui Wad est en train de faire le tour du monde, de parler des problèmes du Sénégal, de dire des choses qui ne sont pas très, très, très, très, très bonnes du Sénégal, je pense que ce n'est pas la posture de l'agent chef d'État sénégalais. Wad parle de son fils, c'est vrai, il doit parler de son fils. Mmh. Mais c'est qui son fils Son fils, c'est la personne à qui on avait confié des responsabilités. Ce n'est pas n'importe qui. Les fils de Diouf, on ne les a jamais vus dans des affaires publiques. Les fils de Senghor, la même chose. Aujourd'hui, Wall est en train de parler parce qu'il avait confié de grandes responsabilités extraordinaires à son fils, qui aujourd'hui est entre les mains de la justice parce que tout simplement il a eu à gérer des fonds publics et on a estimé à un moment donné de l'histoire de ce pays mhm. que des fonds étaient gérés et n'ont pas été gérés de la manière, la, la, bonne manière. Mhm. C'est la raison pour laquelle il a été appelé par la justice il est placé sous mandat de dépôt, les gens sont en train de, euh, d'instruire son dossier, et je ne vois pas en quoi on doit parler de ce dossier en disant qu'il est, il est en prison tout simplement parce qu'il est mon fils. Mhm. Non, il n'est pas en prison parce qu'il est le fils de Watt, mais il est en prison parce qu'il a eu à gérer la chose publique et on a estimé qu'il n'a mhm. pas. Oui, maître. Oui. Je ne quelques difficultés avec euh, la liaison téléphonique. Euh, problème de réseau, maître Bassirungom, si vous pouvez vous déplacer un peu pour euh, qu'on puisse, continuer donc cet entretien. Vous nous entendez, maître Oui, continuez alors. Oui, c'est ça, c'est ça la réaction que j'ai, c'est la réaction des Sénégalais. Oui. On ne comprend pas l'attitude de Watt. Ils nous... avoir une haute attitude mhm. aujourd'hui respectée vers le monde, mhm. comme, comme, comme, comme le président Senghor. Et aujourd'hui, on est regret de constater qu'en tant que Sénégalais, notre ancien chef d'État a une, posture qui ne devrait pas être la sienne, qui ne devrait pas être la posture d'un ancien chef d'État de ce grand pays qui est le Sénégal. Oui, euh, avec cette déclaration, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, euh, Maître Abdoulaye Wadan, hein, qui n'a pas beaucoup parlé de cette histoire, est prêt à faire face aujourd'hui au pouvoir de Macky Sall Maître Wad a toujours parlé de cette histoire. Maître Wad a parlé de cette histoire avant même de quitter le pouvoir. Il a toujours essayé de blanchir Karim Wad. Oui. Peut-être qu'il savait qu'il y a quelque chose à se reprocher, qu'il a commencé à le faire alors qu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, il continue de le faire. Mhm. Et j'ai même été étonné d'entendre Ablaïwa dire que si les gens ont des preuves, ils n'ont qu'à l'étaler sur la place publique un dossier en instruction, on ne l'étale pas sur la place publique, je suis désolé. Mhm. Et voilà de Ablan, c'est quand même curieux que Ablan est un juriste, Ablan est un grand avocat qui a 90 ans. Aujourd'hui, dire aux Sénégalais qu'un dossier qui est en instruction, qui est quand même euh, protégé par le secret de l'instruction, doit être euh, quand même dévalé sur la place publique c'est quand même étonnant de, cet homme. Très bien. Merci. Maître Bassirungom, membre du collectif des avocats de la e Nous parlons aujourd'hui des déclarations de Maître Wad. Euh, l'ancien chef de l'État a dit que son fils Karim Wad, qui est en prison, n'a rien fait. Maître Wad réclame par ailleurs l'argent traqué par l'État du Sénégal et placé dans les banques monégasques. Nous avons en ligne notre confrère Sérine Salugay. Bonjour Sérine Salou. Bonjour Antoine. Vous êtes le chef euh, du desk politique euh, de l'hebdomadaire euh, Le Témoin. Alors, une première réaction sur ces deux déclarations de Maître Abdoulaye Wad. Bon, Antoine, Abdoulaye Wad qui se fait l'avocat de son fils Karim Wad, cela ne se prend pas il faut se rappeler la fameuse phrase de Wad qui disait euh, Karim, je dirais à ta mère que tu as bien travaillé. Mhm. Alors qu'il s'agissait tout simplement d'un responsable de la République qui travaille et qui est au service tout simplement de la République. Ce qui est dommage, c'est que Maître Ablaï ne parvient pas encore à se départir de son statut de père en parlant toujours de Karim Wad, ministre ayant géré au moins quatre ministères et aussi étant le président de, du conseil de surveillance de, de, Et là où s'installe la confusion, c'est que chaque fois en parlant de Karim Wad, Abdelawad ne parvient pas quand même à distinguer le Karim Wad 6 Tablaï Wade et de Viviane Wade et aussi Karim Wade, ministre de la, de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, celui qui est dans les liens de la détention, c'est Karim Wade, ministre de la République et ayant, aussi été président du conseil de, surveillance de, de, la Les magistrats qu'il accuse aujourd'hui de juger Karim Wade, compte tenu tout simplement de son de, son statut de, fils de, de, président. Pourtant, ce sont ces mêmes magistrats qui, hier, étaient sous la coupe même d'Ablaïwa. Donc, je crois que c'est un peu gênant quand même de jeter l'opprobre sur cette justice-là qui a, qui a été aussi au service, je crois, du, du défunt régime. Parler aujourd'hui de Karim Ward je crois que c'est un signe tout simplement de partialité parce que aujourd'hui il n'y a pas simplement le Karim qui qui est en prison, oui. mais il y a il y a il y a en prison. Hier il y a Edendon qui a été arrêté, Abdelaziz Diop, les Taïmgaï. Donc ces gens-là, je crois aujourd'hui s'ils euh, euh, ils sont dans les liens de la détention. Est-ce que c'est par parce que leur, leur papa, leur père ne, sont pas du tout euh, n'ont pas été président de la République Je mhm. crois que c'est un peu gênant quand même mhm. pour un ex-chef, en tout cas pour un président de la République, celui qui en tout cas qui, qui a était le pouvoir le 25 mars dernier, mhm. de faire en tout cas le tour du monde et d'aller quand même prêcher la mauvaise parole sur le fonctionnement de la justice sénégalaise. Mhm. Et je crois que la maladresse qu'il a commise euh, euh, euh, à, en parlant quand même de son fils qui n'a absolument rien fait, c'est le fait tout simplement de, n'avoir pas pu jauger le tort qu'il fait par rapport même au régime de, de, de, Parce que je crois que sous son régime, lui, il n'aurait jamais accepté quand même que quelqu'un vienne ici pour jeter le peuple sur la justice de, notre pays. Et ce qui est dommage, c'est qu'Ablaï ne sera jamais un grand homme d'État. Parce que je crois qu'un grand, un, grand homme d'État parvient toujours à faire la part des choses entre la famille et aussi, et aussi l'État. Très bien. Alors, cette déclaration de Maître euh, est considérée comme étant un défi au juge de la CRI, mais également euh, à l'État du Sénégal. Euh, propos de Mohamed Mbodj, est-ce que vous partagez ces, propos, disons, cette déclaration Bon, le fait de dire que c'est un défi, moi je, ne me situe pas sur, ce terrain-là. Je crois que la justice a un fonctionnement particulier. Donc l'affaire a été enclenchée. Je crois qu'aujourd'hui, euh, bon, Karim Wad a un pool d'avocats qui est euh, chargé de, le défendre. Je crois qu'aussi la CRI est en train de faire son travail. Maintenant, le jour où les gens seront devant les euh, tribunaux et que l'affaire doit être jugée, je crois qu'en ce moment-là, on tirera les, choses au clair. Mais il ne faut pas quand même aller, aller vite en besogne. Et Ablaï Wad ferait mieux en tout cas dans le pool des avocats. Et en ce moment-là, je crois qu'il revêtirait le, sa, touche d'avocat. Mais plutôt que de revêtir le, en tout cas le, manteau d'un ancien président qui passe tout son temps à vouloir défendre son fils, alors que son fils a géré quand même les deniers publics et qu'il se doit tout simplement de, rendre, des comptes. Donc pour moi, je, ne crois pas qu'il s'agit d'un défi adressé à la CRI. Mm-hmm l'affaire a été enclenchée en tout cas dès le départ et je crois que le jour où les gens euh, seront devant les tribunaux, en tout cas les choses seront tirées claires et Karim Wade quand même aura toute la latitude avec ses avocats de pouvoir se défendre des chefs, euh, en tout cas de mm. l'accusation qui a été portée sur lui. Merci. Sérine Salougué, journaliste, vous êtes le chef du desk politique au quotidien, pardon, à l'hebdomadaire, le témoin. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Parler français. Parler français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Parler français avec Mantouré. Bonjour à tous et bienvenue. Professeur, déclinez votre identité. Euh, Monsieur professeur de français au lycée Lamine La leçon du jour porte sur deux expressions qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment. La première. En train de, en trois mots. Épeler, c'est plus sûr. En train de. Et la seconde. Et en train en un seul mot. Explication. En train de, en trois mots est une locution prépositive qui marque une action en cours. Exemple, il est en train de travailler, ce qui signifie en ce moment-là. Mais en train, en un seul mot, est un substantif qui signifie vivacité, bonne humeur communicative. Ah, vous voulez parler de l'entrain, avoir de l'entrain. Donnez un exemple, s'il vous plaît. Exemple, avoir de l'entrain, être plein d'entrain. Exemple encore, la conversation manque d'entrain, c'est-à-dire d'animation gay. Résumons, professeur. En train de, en trois mots, en train de et en train en un seul mot. En train de en trois mots est une locution prépositive qui marque une action en cours. Exemple, il est en train de travailler, ce qui signifie en ce moment-là. Mais en train en un seul mot est un substantif qui signifie vivacité, bonne humeur communicative. Exemple, avoir de l'entrain, être plein d'entrain. Exemple encore, la conversation manque d'entrain, c'est-à-dire d'animation gay. Merci et à demain. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Un ciel nuageux va prédominer sur le pays, notamment sur sa partie ouest, Dakar, Durbel et également le nord où des pluies intermittentes seront enregistrées au cours de cette journée. Un temps frais sera de sur une bonne partie du pays avec des pics de température diurne qui vont varier entre 23 degrés à Dakar et 33 à Matam et Bakel. C'est la fin de ce grand journal, je vous rappelle les titres. Antoine La furie des élèves de Sédiou, ils ont blessé ce matin le principal du CM3 de la commune. La victime a raconté le film des événements dans ce journal. Cité Gadaï, plusieurs nouvelles constructions ont été détruites ce matin par des quatre pillards. Les propriétaires sont dans tous leurs états. Abdoulaye Wade l'argent de Monaco, traqué par l'État du Sénégal, l'ancien président de la République, le réclame aux banques monégasques. Réaction du Forum civil, c'est un défi que Maître Wade a lancé à l'État et au juge de la CRI. Maître Baba lui soutient que le secrétaire général du PDS doit prouver que cet argent lui appartient. Et puis, achèvement des travaux du sanctuaire Saint-Paul de grand l'appel du cardinal Théodore Adrien Sarr est bien entendu par les fidèles catholiques qui se disent prêts à apporter leur contribution. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique et 11. Réalisation Ibrahim Benjamin Diagne, régisseur d'antenne Papoumar Tout de suite, le journal du Magal avec euh, notre équipe euh, sur place euh, avec Sornana Tambay. Mais avant cela, donc, je vous annonce que le journal des 13h sera présenté par El Haj Hassan Sornana Tambaye est en ligne. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier numéro du journal de la 119e édition du Grand Magal de Touba. Huawei vous offre le journal du Magal. Notre tout premier reportage sur un sujet qui fait polémique. Vous imaginez deux ralentisseurs et demi en moyenne tous les deux kilomètres entre Dakar et Touba, ce qui fait râler les usagers de la route. Certains pensent même que l'édification abusive des ralentisseurs accroît le nombre d'accidents. suivant le reportage de Mohamed Jodiop. Dakar, Touba, 182 km et plus de 106 ralentisseurs de vitesse de type Dodane. Les chauffeurs râlent. ndaw ndawaan yoo xam ni war naa mën a ñàkk dooraan Serigne Sall